On ne délivre depuis des années que des attestations. Et puis la rédaction démarre une série consacrée à l'horticulture au Sénégal. Nous verrons l'apport des légumes dans la qualité de vie. Nous parlerons aussi de la filière tomate à Saint-Louis et de la technique du goutte à goutte. Hélène Johnson sort les fêtes à Dakar ce lundi pour une visite de quelques heures. La présidente du Libéria est venue voir le président Macky Sall. C'est dans le cadre d'une consultation sur les questions de portée régionale. La promotion de la coopération bilatérale a été également évoquée par les deux chefs d'État. C'est un reportage signé au Marning. L'avion de commandement de la République du Sénégal se pose au beau milieu de la journée. à son bord la présidente du Nigeria. Illustration de la qualité des relations que le Sénégal entretient avec ses voisins de la sous-région. En recevant sa collègue, le président Macky Sall rehausse cette image. les honneurs, les deux chefs d'État se retirent pour un tête-à-tête. Cap ensuite sur le palais de la République. Ici, l'entretien est élargi aux deux délégations respectives. Une séance de travail suivie dont déjeuner entre les deux chefs d'État, à l'issue duquel Madame Hélène Johnson-Sirleaf a repris la direction de l'aéroport Léopold Sédar Senghor bouclant ainsi une visite courte mais très importante. I'm very très contente de venir rendre visite euh, à, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal pour avoir des consultations avec lui sur euh, certaines questions euh, de portée régionale. Donc nous avons eu ces, ces consultations également dans le cadre de la promotion des euh, du développement entre nos, pays, donc au, plan sous-régional, notamment avec la CDAO, mais également explorer un potentiel de coopération avec nos, deux pays. J'ai amené quelques ministres euh, avec moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir directement avec euh, le président donc de, ces questions d'intérêt commun et également ensemble nous avons eu à, avoir un entretien élargi à, nos ministres, n'est-ce pas, pour voir un peu comment promouvoir la coopération bilatérale entre nos pays. La présidente du Liberia a quitté Dakar en début d'après-midi en compagnie de sa délégation. La voici raccompagnée par le président Macky Sall. La présidente du Liberia, Helen Johnson Sirleaf, a effectué donc une visite de quelques jours, de quelques heures à Dakar ce lundi. Le chef de l'État a également reçu le président de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, Rudi euh, Demotte, a abordé avec le président Macky Sall les thèmes de l'émergence du radicalisme. Il a aussi félicité le chef de l'État d'avoir organisé le référendum constitutionnel il y a quelques semaines. Rudi euh, Demotte est reparti honoré d'avoir reçu l'insigne du lion des mains du président Macky Sall. Il est au micro de Omar D'abord, je voudrais rendre hommage euh, au pays et au président pour euh, la tenue du référendum. Je pense que c'est un acte de, courage sur le plan politique que je voulais souligner. Je le lui ai dit et euh, je pense qu'il est important que le Sénégal euh, fasse montre d'exemple dans de nombreux domaines, notamment celui de l'institutionnel en politique. Le deuxième point de discussion, c'est notre coopération entre la Belgique francophone et le Sénégal. Le Sénégal est une terre où nous sommes présents depuis euh, maintenant plusieurs décennies et nous avons des programmes qui permettent de travailler sur la formation professionnelle, qui permettent de travailler sur la culture, qui permettent de travailler sur des programmes de soutien à l'agriculture, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes, aux droits de l'enfant. Alors tout cela euh, va faire l'objet d'une négociation entre nos gouvernements qui doit aboutir à une nouvelle de programmation. Et nous avons enfin euh, parlé d'un thème très préoccupant, qui est celui de l'émergence euh, du radicalisme violent, euh, de ce que nous devons aujourd'hui affronter sur le plan planétaire avec le terrorisme, en essayant de, décrypter ce mouvement et surtout de trouver comment couper les racines de cette dérive, alors que nous appelons à davantage d'humanité. Nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lyon. Là, je suis vraiment euh, d'abord très agréablement surpris et encore davantage euh, honoré de euh, ce qui a été aujourd'hui un moment pour moi de, mise en honneur. Je ne sais pas si je le mérite, mais je suis très fier de l'avoir obtenu. Le président Macky Sall a également reçu euh, Michel Sapin, le ministre français des Finances et des Comptes euh, Publics qui est à Dakar après avoir euh, participé au Cameroun avec donc les ministres des Finances de la zone franc des 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à une rencontre sur le front CFA. Le voici au sortir de cette audience avec le chef de l'État. J'ai voulu faire passer deux messages principalement. Le premier, c'est notre soutien plein et entier au Sénégal dans sa volonté de maîtriser sa sécurité et d'être un acteur euh, puissant, efficace dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme nous frappe tous, frappe euh, d'autant plus fort certains territoires euh, d'Afrique, euh, le Sénégal est un acteur de cette lutte contre le terrorisme. Nous sommes à ses côtés par tous les moyens euh, qui sont possibles. C'est vraiment un enjeu planétaire euh, et je veux vous remercier et souligner combien le Sénégal est, est engagé dans cette question de la sécurité de son territoire, mais plus globalement de la sécurité internationale. Le deuxième message, c'est un message de soutien au projet de développement économique et en particulier à ce plan d'émergence euh, qui va s'inscrire dans la durée et qui va se traduire par une série de travaux, par une série de projets qui doivent être mis en œuvre euh, au cours des euh, prochaines années et qui seront extrêmement utiles, que ce soit du point de vue agricole, que ce point de vue urbain ou du point de vue du développement d'un certain nombre d'activités industrielles. La France, là aussi, sera aux côtés. D'abord parce qu'il y a des entreprises françaises qui sont en capacité de répondre en toute transparence aux appels d'offres c'est le cas euh, aujourd'hui sur quelques projets importants. Et ensuite parce que la France, avec d'autres, euh, peut-être euh, aux côtés du Sénégal, pour financer ces projets, lui permettre d'avoir accès <clears throat> aux crédits indispensables à la mise en œuvre de ces projets. Donc voilà, c'était les deux grandes directions. Je veux vraiment y dire ici combien notre discussion était extrêmement cordiale, extrêmement amicale euh, nos deux pays euh, travaillent ensemble sur des sujets aussi importants que la sécurité ou le développement économique euh, sans aucune ombre. Michel Sapin, nous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Je J'étais très honoré, c'était une surprise. Euh, qui m'a été faite. J'étais extrêmement honoré de cette euh, distinction. Je connais l'importance pour euh, le peuple sénégalais, pour un certain nombre de ceux qui l'ont déjà porté par le, le, passé. Et donc, je veux dire que je repars du Sénégal avec une richesse supplémentaire dans mon cœur. Parlons de la coopération entre le Sénégal et la Wallonie-Bruxelles. Une séance de travail s'est tenue cet après-midi entre le Premier ministre et le ministre président de Wallonie-Bruxelles au menu de la rencontre l'état de la coopération et l'évaluation de 18 projets dans le cadre de la cinquième programmation. La sécurité était également à l'ordre du jour de l'audience. L'économie de la rencontre avec euh, Seydou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement, des propos recueillis par Anne-Marie Gobis. Il a été question d'abord de la revue de la coopération, puisque le Premier ministre s'est félicité de la coopération entre la de bruxelles et l'État du Sénégal. Euh, coopération bilatérale, mais qui est d'abord renforcée par une coopération multilatérale dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Euh, dans le cadre maintenant de la cinquième programmation de la coopération, euh, il a été procédé à une évaluation qui était porteuse puisqu'elle a permis de consigner le succès dans beaucoup de projets, puisque dans cette euh, cinquième programmation, il y avait 18 projets euh, qui ont indiqué beaucoup de marges de progrès justement, euh, en matière d'autonomisation des femmes, en matière de renforcement de capacités, puisqu'il y a un projet qui était structuré autour de la formation de formateurs, compte, pour le compte du ministère de l'Artisanat, développement de l'autonomie des femmes et renforcement de leurs capacités économiques, et propositions justement pour aller plus avant vers un dispositif qui permet de renforcer la protection des droits de l'enfant. Il s'y ajouté une question centrale, celle de la coopération en matière de sécurité. Les perspectives sont ouvertes dans le cadre de la sixième programmation euh, pour élargir la coopération au secteur de la sécurité. Mais d'ici la fin de la visite, il sera question d'aller euh, sur le terrain, euh, faire une propre évaluation des projets, notamment en matière de production d'huile essentielle à Luga et à Saint-Louis, euh, qui ont été des programmes soutenus dans le cadre de cette coopération entre Wallonie et la Wallonie euh, et l'État du Sénégal. Je vous le disais un peu plus tôt, après avoir assisté à Yaoundé au Cameroun à un sommet qui a réuni les ministres des Finances de la zone franc des 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le ministre français des Finances et des Comptes publics et son homologue sénégalais de l'économie des finances ont fait face à la presse pour Amadouba. Il n'est pas prévu une dévaluation quelconque du franc CFA. Pas d'incertitude non plus concernant la zone franc. Son homologue euh, Michel Sapin a réitéré la volonté de la France à soutenir la zone franc. Les détails avec le débat sur le franc CFA fond d'interrogation persistante, Au-delà de son actualité, c'est la question de l'avenir de cette monnaie commune qui est revenue sur le tapis. Sa convertibilité et son fonctionnement intéressent la zone franc. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque, pas d'éventualité d'une dévaluation, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas prévu. Ni dans le court terme, ni dans le moyen terme. C'est un débat qui est souvent agité, je voudrais de ce point de vue le dire de manière très claire et le dire au nom de l'ensemble des ministres des Finances de la zone franc. À les ministres des Finances de la zone franc ont naturellement parlé des questions monétaires et pour l'argentier de l'État, la zone se porte bien, c'est l'inconvénient. Les pays qui utilisent le franc CFA font face à du chocs. Euh, le choc euh, lié à la chute des prix des matières premières, mais là ça ne concerne pas spécifiquement l'humour ou nous avons quand même un niveau de croissance assez élevé qui tourne autour de 6,5%. L'autre choc est sécuritaire. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, nous évoluons tous dans un environnement où il y a beaucoup d'incertitudes liées à la sécurité. Sur ces deux points précis, les pays africains membres de la zone continue de bénéficier du soutien et de l'appui de la France. Par la voix de son ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, la France réaffirme son soutien à la zone franc tout en restant dans l'euro. La souveraineté de chacun des pays dans une coopération, une intégration monétaire importante qui doit s'exprimer et la France, elle, est là pour accompagner. Le franc CFA appartient aux Africains. Que l'avenir de cette monnaie avec ce qu'elle apporte, me semble-t-il, mais c'est à eux d'en juger, de bon pour le développement économique et social, appartient aux Africains. Et que la France, s'il doit y avoir des évolutions, est parfaitement ouverte à des évolutions. Pour Michel Sapin, le fait que le franc CFA soit lié à l'euro modifie la donne. Puisque ça permet d'avoir une stabilité de la parité monétaire vis à -vis de la plus importante zone économique du monde puisque la zone euro est plus importante encore que, par exemple, les États-Unis, si vous cumulez la totalité des euh, économies considérées. D'autres questions économiques ont été examinées, telles que l'implication et la participation de la France au développement économique et social du Sénégal à travers l'Agence française de développement, l'AFD. Également, dans le portefeuille de l'AFD, des projets nouveaux vont émerger, particulièrement celui du train express rapide, un projet cher au président de la République. Le ministre de l'économie et des finances s'est également prononcé sur les avantages du franc CFA. Pour lui, la zone franc est basée sur euh, quatre principes euh, bénéfiques pour les pays qui utilisent le franc CFA. Nous écoutons Amadouba avec euh, Louise Bidza. Le principe de la fixité. Aujourd'hui, nous aurons de la prévisibilité. Et l'avantage que nous en tirons en tant que pays, c'est presque l'absence d'inflation, contrairement aux autres pays ou la monnaie flotte. Lorsque la monnaie flotte dans certaines proportions, vous êtes obligé d'évaluer votre monnaie ou vous constatez la, dépréciation de votre monnaie. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est la garantie de la convertibilité illimitée. pense que cela est extrêmement important pour nos pays qui à se construire. Euh, nous avons besoin de devises. Aujourd'hui, nous, avons au Sénégal une balance commerciale déficitaire structurellement c'est vrai que nous recevons beaucoup d'apports euh, des Sénégalais, mais la balance est différente. On peut se retrouver dans une situation difficile. Et là, le fait d'avoir une convertibilité, utilité, mais troisième point, est d'avoir la centralisation des réserves. Parce que la centralisation des réserves joue à un double niveau. D'abord, une solidarité entre nous, donc euh, les réserves du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et des autres pays membres de l'Union se retrouvent dans un seul compte géré par la Banque centrale. Et l'autre partie, c'est la garantie française qui est derrière. Donc ce qui fait que nos pays n'ont pas de problème pour chercher des devises, pour faire face à leurs opérations, à leurs obligations internationales. Je que ça aussi c'est un, avantage. Et enfin, le dernier avantage, le quatrième point, c'est la libre transférabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous côtoyons des pays, je ne peux pas les citer, qui ont beaucoup de mal à euh, commercer, entre guillemets, avec euh, d'autres pays. Or, aujourd'hui, euh, qui que le Sénégal aller au Mali ou, en Côte d'Ivoire, vous êtes dans des pays différents géographiquement, mais vous avez la même monnaie, vous n'êtes pas obligé d'aller à la banque pour chercher Autant d'avantages qu'il faut qu'aujourd'hui, les pays africains tiennent cette, à cette monnaie, ça c'est bon qui a ses avantages. le et d'améliorer la gestion de cette monnaie commune. Mais là, je voudrais vraiment rassurer et être précis sur cette question. Je sais que euh, depuis quelques jours, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit. Il n'est pas prévu une dévaluation. il faut que ça soit très clair. Et il n'y a pas d'incertitude sur la zone franc. Voilà les précisions du ministre de l'économie et des finances Amadouba. Je vous l'annonce dans les titres, euh, il faut beaucoup patienter des fois des années avant de pouvoir récupérer son diplôme. Ce délai est jugé euh, trop long. Au ministère de la formation professionnelle, on ne délivre depuis des années que des attestations à l'office du bac. 45 000 diplômes attendent une signature pour régler définitivement ce problème. La numérisation des signatures est à l'étude de cet dossier signé Sidna il ne lui reste que quelques années avant de partir à la retraite et pourtant, il a toujours étudié, travaillé, voyagé avec des attestations. Il n'a jamais pu récupérer ses diplômes à l'UCAT. La délivrance des diplômes prend souvent du temps, beaucoup de temps diront certains. L'habitude c'était de faire signer tous les diplômes une fois délivrés par l'établissement, par l'autorité de l'établissement, mais de faire signer également le ministre de tutelle. Et je pense que tous nos problèmes viennent de là si le ministre se mettait à signer les diplômes, il ne ferait que ça. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ministres de l'enseignement supérieur sont passés sans avoir pu signer les diplômes comme l'exige la loi. L'attestation dure généralement deux ans. Si l'agent se présente avec une attestation, nous cherchons à savoir si parce que l'attestation, c'est une validité d'un diplôme qui s'obtiendra plus tard, qu'on délivrera plutôt plus tard. Nous, cherche, nous cherchons ici à, savoir si d'abord euh, le diplôme euh, délivré est reconnu par le CAMES. Si ça se trouve, on sait que ce n'est pas soir après la formation qu'on délivre un diplôme, il y a une attestation. Ça atteste que l'auditeur est capable, du moins, euh, obtiendra tel diplôme. Mais si, au niveau de l'enseignement supérieur, la structure qui donne l'attestation n'est pas reconnue, ça pose problème. Parce que quand vous avez besoin d'envoyer votre diplôme euh, pour un concours ou dans un organisme à la recherche d'un emploi, si vous n'avez que l'attestation et que cette attestation n'est pas acceptée, vous pouvez aller dans votre établissement d'origine ou à l'office du bac, demander ce qu'on appelle une attestation spéciale. L'attestation spéciale n'est pas remise à l'impétent, c'est interdit par la loi mais il est envoyé directement à l'organisme où vous devez, vous avez sollicité votre demande d'emploi ou où vous voulez faire votre concours, si c'est l'ENA, si c'est la FASTEF ou n'importe quel autre établissement. Donc ça se fait d'administration à administration. Pour les nouveaux bacheliers, il faut patienter un ou deux ans avant de pouvoir récupérer son diplôme. En moyenne, euh, les, les recteurs signent environ 10 000 diplômes par an. Donc, euh, si la demande est forte, naturellement, nous, nous éprouvons beaucoup de difficultés à satisfaire la, la demande. Des mesures ont été prises pour prolonger la durée de validité de l'attestation. Le ministre nous a instruit donc d'augmenter la durée de validité des attestations. Donc au lieu de deux ans, nous mettrons donc à partir de la session 2015, on mettra une validité de 5 ans. Euh, au niveau du rectorat donc, euh, de, l'université également, des mesures sont prises pour s'adapter à la situation. Parce que là, le problème, c'est en fait la vitesse de signatures. Et euh, donc, on, nous a informé, donc, le, le, recteur est en train de faire le paramétrage donc, pour avoir une signature donc, numérisée euh, qui devrait donc euh, régler de façon définitive la question. Une des solutions, c'est apportée par les nouvelles technologies. Maintenant, il existe des robots avec la signature du, ministre enregistré et il faut sécuriser ce système-là pour faire en sorte que des machines puissent signer à la, place du ministre. En attendant, des centres d'appel sont sollicités pour faciliter la délivrance du bac. Nous avons, euh, depuis 2007 ou 2008, euh, pris contact avec euh, des, euh, centres d'appel pour nous aider à programmer donc, les convocations. C'est vrai que ça coûte un peu, mais ce n'est pas l'aspect pécuniaire qui nous intéresse, mais c'est un peu la gestion des flux. Depuis 11 ans, le ministère de la formation professionnelle n'a pu délivrer de diplômes. C'est une situation que j'ai héritée en 2014. Ceci est dû en partie à l'instabilité de l'appellation des, ministères. Et ensuite, nous voulons, euh, par la suite, euh, quand je suis venu, je me suis attelé, après avoir fait l'état des lieux, de mettre en place un système qui permettrait de pouvoir tirer les diplômes et de les sécuriser parce qu'il y a beaucoup de faux et usage de faux dans euh, ce, qui se passe là dans, au niveau des diplômes. Au ministère de la formation professionnelle, on travaille à sécuriser les diplômes qui devront être délivrés. Hologrammes et codes barres sont ajoutés pour éviter les falsifications. Il est vrai que la lenteur dans la délivrance des diplômes pose souvent problème. La solution, sinon, l'une des solutions consiste à numériser les signatures afin de libérer ces milliers d'ayants droits et de délivrer ces milliers de diplômes. Lenteur dans la délivrance des attestations et diplômes, signés. signés Sedina Alunfal, Kermomar Sar, Sakal et Koki vont bientôt avoir des centres de santé. Le financement est acquis grâce à l'Agence française de développement. Les autorités du ministère de la Santé en charge des infrastructures ont effectué une descente sur le terrain pour échanger avec les principaux acteurs. Outre Douga, Kolda et Seyou vont bénéficier de ce projet d'amélioration de l'offre de soins au Mariao. Avec l'appui de l'Agence française de développement, c'est la carte sanitaire de Louga et l'offre de soins qui vont être très élargies au grand bonheur des populations. C'est un important investissement. Ce projet consiste à réaliser trois centres de santé. Ces trois centres de santé seront bâtis à Kermont-Marsar, Sakal et Coquille. Les sites ont déjà été identifiés. Il y a aussi l'extension du centre hospitalier régional de Louga. La construction d'un pôle mère-enfant, de l'extension de la maternité. Il y a également la construction du service d'accueil des urgences. À ces deux structures viendra s'ajouter une banque de sang pour pérenniser la disponibilité du liquide vital. Ce sont des concertations très larges que la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance a eu avec tous les acteurs impliqués. C'est un travail qui est participatif, ils ont appelé l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils viennent donner leur point de vue. Des observations ont été émises. Nous allons retourner avec l'architecte pour travailler sur ces observations et revenir vers eux. Le renforcement des capacités et des fonctionnalités de l'hôpital régional permettra aux populations de Louga d'avoir une meilleure qualité de soins. Cela va vraiment pouvoir donner une dimension beaucoup plus importante à l'hôpital de, de Louga. C'est une véritable montée en puissance euh, de l'hôpital euh, qui permettrait de répondre à la demande de soins des populations de la région de Louga. L'AFD va injecter 3 milliards de francs pour la réalisation d'infrastructures sanitaires. La zone d'intervention de l'agence française et de la DIEM s'étend à la Casamance. La même chose au niveau donc des régions de Kolda et Seyou. Nous allons construire toujours avec l'AFD des centres de santé à Bunkinin et à Medina Le maillage du territoire national se resserre avec la construction de nouvelles structures sanitaires. Elles sont conçues suivant des normes strictes permettant un accès facile dans un environnement favorable aux bons soins. Ici à Dakar, il est question de cet atelier régional de formation des agents des douanes sur la contrebande acheminée par les voyageurs aériens. Une rencontre d'échange co-organisée par l'Organisation mondiale des douanes, la coopération japonaise et l'administration douanière du Sénégal. Pape Bonachao. Il s'agit de renforcement des capacités, d'échange d'informations, mais aussi et surtout de présentation de la version 4 de l'opération Westerlies, un outil international de lutte contre la contrebande, les stupéfiants acheminés par les voyageurs aériens. Ces sessions sont extrêmement importantes parce qu'on a constaté qu'après chaque session de formation, euh, quand les formateurs vont sur le terrain et démultiplient ces sessions, c'est-à-dire euh, dispensent le savoir aux agents qui sont chargés de l'exécution du service, les saisies grimpent. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, les douanes font énormément de saisies en matière de drogue. En matière de lutte contre le trafic illicite et la contrebande, le Sénégal a toujours participé et soutenu les opérations mondiales. Annuellement, des résultats étonnants sont réalisés par les agents des douanes. En ce premier trimestre de 2016, les saisies de douane portent sur 2,020 tonnes de cannabis, 0,798 kg de cocaïne, 168 kg de khat et 1,11 kg de méthamphétamine. Pendant quatre jours, les travaux porteront sur la mutualisation des connaissances, les nouvelles techniques de traque des contrebandiers et trafiquants. L'idée est de parvenir à mettre en place un système capable d'anéantir toutes leurs actions. Je vous le disais également dans les titres, la rédaction démarre ce lundi une série consacrée à l'horticulture. On entend de plus en plus les professionnels de la santé inciter les populations à manger assez de fruits et légumes par jour. Loin d'être un message anodin, il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur de produits dont l'apport nutritif contribue à améliorer la qualité de vie. Certains centres hospitaliers et établissements scolaires l'ont d'ailleurs bien compris en intégrant le micro-jardinage dans leurs activités, les fruits et légumes au-delà de l'aspect commercial. C'est un dossier signé au balai. Euh, sur la pyramide alimentaire, les fruits et légumes occupent une place privilégiée. normale puisque leur apport en vitamines essentielles est connu, reconnu et promu dans tous les messages sur les mesures hygiéno-diététiques. C'est l'art de vivre diminuer le sel, diminuer le, diminuer, le gaz, arrêter le tabac et manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Pour que la consommation de fruits et légumes soit bien ancrée dans les habitudes alimentaires de tous les jours, certaines écoles n'hésitent pas à initier les élèves au micro-jardinage, comme ici au CM de Scat Urbam. Dans les cours didactiques, nous parlons de cela l'importance d'avoir une alimentation riche en nutriments. Ces produits, maintenant, on les, on donne aux élèves qui vont chez eux pour montrer vraiment carrément ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Et maintenant, au niveau de leur maison, ils reproduisent ce jardin sur une table. Les concernés se plaisent dans cette activité. C'est très bien de faire euh, des jardinages parce que ça nous permet de consommer nos, produits locaux, c'est les choses qu'on utilise dans notre pays. Nous devons tous consommer des légumes pour notre santé. Euh, pour, pour, mieux économiser euh, les dépenses, je peux conseiller aux familles de, de, reprendre ces, ces, genres de choses pour, par exemple, quand je, le matin, quand on doit préparer le repas, euh, pour aller, euh, au lieu d'aller acheter des, des, légumes au marché, je peux venir et cueillir mes légumes euh, avec, sur mon petit micro-jardin. Plus loin, à Muntumba, un village dans la région de Kolda, le maraîchage est inscrit dans les activités pédagogiques. Parce que ça nous permet, quand tu auras besoin de faire une leçon sur une plante, tu peux venir, tu fais ce qu'on appelle extra miros, tu sors avec les élèves, qui vient au jardin, vous allez essayer euh, d'expliquer la leçon au niveau des jardin. Les élèves comprendre, par exemple, sur les racines. Si la consommation de fruits et légumes est très recommandée, c'est surtout pour permettre à l'organisme de bénéficier le maximum de micronutriments indispensables pour sa défense. Pour euh, un bon développement, une bonne croissance, surtout pour les enfants, et une bonne santé, l'organisme a besoin de ce qu'on appelle les nutriments. Et parmi ces nutriments, nous avons les sels minéraux, les vitamines et les fibres qu'on peut obtenir qu'en mangeant prioritairement des fruits et légumes en quantité suffisante et en qualité tous les jours. Pour pleinement profiter de certaines vitamines, il y a des fruits et légumes à privilégier, ainsi que les méthodes d'utilisation. Je vais me mettre un peu dans le contexte du Sénégal où les carences en micronutriments les plus récurrentes sont le fer, la vitamine A, l'iode et le zinc. Donc nous, on demande de prioriser les fruits, surtout de couleur orange comme la mangue, la papaye, mais aussi avec euh, les nouveaux projets de sécurité alimentaire, on a au Sénégal une disponibilité de ce qu'on appelle la patate douce à chair orange, qui est une source extrêmement importante de vitamines. Mais moi, je voudrais juste mettre l'accent, surtout par rapport aux enfants, sur les fruits de cueillette, tels que le buis, euh, le mad, le néré, donc qui est extrêmement riche en vitamine A, euh, le jujube ou sidème qu'on peut vraiment utiliser pour enrichir la bouillie des enfants. On conseille aux femmes d'attendre que l'eau boue pour mettre les légumes, ce qui fait qu'au moins on réduit le temps de cuisson. Si une alimentation riche en fruits et légumes contribue à la prévention, dans certaines situations, elle est inscrite dans le programme de traitement, comme ici au service des maladies infectieuses de Fan. Ce jardin est créé rien que pour un appoint nutritionnel aux malades. Parce que prendre en charge un malade, ce n'est pas uniquement lui donner des traitements. La prise en charge nutritionnelle fait partie intégrante de la prise en charge globale d'un malade, surtout s'il est infecté par le VIH, s'il a la tuberculose, une maladie chronique qui augmente les besoins nutritionnels. Les produits de ce jardin permettent aussi aux services de mieux faire face aux cas sociaux. Les malades qui sont hospitalisés ici font une durée d'hospitalisation assez longue, d'abord des fois un mois, deux mois, jusqu'à trois mois. À la longue, ils finissent par, par se dénutrir. Donc là, on a jugé de créer un jardin qui va les accompagner dans la prise en charge nutritionnelle. on a des malades des fois qui ont un problème de nutrition. pour avaler les aliments, il y a un problème. Il, est nécessaire que quelqu'un prépare des, plats légers pour que les malades se nourrissent. Le jardinier apporte également sa touche pour la réussite de cette assistance aux malades Nous, cultivons en fonction des zones. Il y a des haricots verts, il y a des persils chinois, il y a des persils euh, frisés il y a l'as, la laitue, l'aubergine amère comme l'aubergine douce, des betteraves, des choux pommés, des poivrons, des pinards. On a aussi entendu quelques, euh, quelques arbres fruitiers, des bananiers et comment des, arbres de carassol. Donc les feuilles de carassol, on peut les utiliser aussi comme euh, tisane pour les malades. Ces produits, comme tant d'autres de l'horticulture, ont chacun un rôle à jouer dans les besoins nutritionnels de tout un chacun. Pour une bonne hygiène alimentaire, ils sont d'ailleurs à privilégier dans la composition des menus de tous les jours. Voilà, les légumes et les fruits qui sont donc euh, très importants dans la qualité euh, de vie des populations. En 2015, notez que la production de la tomate a baissé par rapport aux années euh, précédentes et pourtant dans le nord, précisément à Saint-Louis, ce sont des milliers de producteurs qui exploitent la tomate. La filière connaît quelques difficultés, surtout dans la transformation contrairement à l'exportation. Contrairement, donc, l'exportation se porte à merveille. C'est plus de 10 000 tonnes qui sont importées chaque campagne. Jeanne Dior. Considéré comme un légume, elle est en réalité un fruit. Quoi qu'il en soit, la culture de la tomate est presque incontournable dans cette zone de la vallée. Le comité national de la concertation de la filière tomate industrielle, qui regroupe en son sein 15 000 producteurs, exploite 4000 hectares de ce produit dans la zone de Saint-Louis et Aérelao. À Tilène, dans la commune de Diama, certains membres de l'association exploitent quelques 50 hectares de tomates fraîches, une culture rentable. Si je cultive du riz, parfois je paye mes dettes, mais je n'aurai rien à manger. Parfois je ne pourrai pas payer mes dettes. Mais si c'est la tomate, moi si je rapporte 2 millions chez moi, par rapport au comité, le chiffre d'affaires tourne autour de 4 milliards. Il y a les transporteurs qui gagnent, il y a les salariés qui gagnent, il y a les femmes des autres régions qui viennent faire la récolte et qui gagnent. Après récolte, les tomates sont mises dans des cajoux direction les entreprises de transformation. Ici, 95% des tomates fraîches transformées en concentré proviennent de la zone des producteurs. Sur place, la matière est versée dans la goulotte pour nettoyage, première étape de la transformation dans l'usine de Sawani la filtration consiste maintenant à l'obtention du produit final qui est, qui Donc nous avons besoin pour euh, éventuellement effectuer l'évaporation jusqu'à l'obtention de concentré. Le processus de, transformation de la tomate dure deux ans. le volume de transformation de la tomate industrielle a connu une baisse durant la dernière campagne. Il est passé de 46 263 tonnes en 2014 à 28 023 tonnes en 2015. Et pourtant, au Sénégal, trois entreprises sont dans la transformation de la tomate fraîche. Pour les acteurs, la filière doit être mieux organisée. Une bonne préparation à temps et discuter avec tous les acteurs pour voir un peu quelles sont les contraintes, surtout au niveau commercialisation et donc au niveau transformation pour voir les capacités des uns et des autres et voir un peu l'impact financier que ça peut avoir. Je suis sûr que ça pourra marcher et donc ça viendra rejoindre l'autosuffisance en Une autre entreprise aussi actrice de la filière tomate, les grands domaines du Sénégal. 80% de leurs productions sont exportées. La structure a installé 30 serres de 3,3 hectares chacune, produisant Trois présentations dans la variété de tomates cerises. La cerise elle-même, les crappes et les olivettes. Si certains procèdent à la récolte, les échassiers et les effeuilleuses s'occupent de l'entretien des plantes pour permettre à l'arbre de produire davantage, et ce jusqu'au mois de mai. Notre produit phare, c'est la tomate cerise. Donc, euh, comme premier produit, après il y a le maïs doux, pour la tomate cerise, nous avons 100 hectares euh, sous serre. Sur des rendements, environ 100 tonnes à l'hectare. Les tomates destinées à l'export sont cueillies en début de maturité. Du conditionnement à l'organisation de l'exportation, les 461 employés veillent aux normes commerciales et sanitaires. Les tomates qui ne répondraient pas à celles-ci sont sorties de la chaîne et gardées pour le marché national. La structure exporte 10 000 tonnes de tomates par campagne en contre-saison. Un mouvement fructueux vu le chiffre d'affaires. En 2015, c'était 14 milliards. Ces produits vont être acheminés à la station de conditionnement. Donc là-bas, ils vont suivre un processus euh, de, fabrication, hein, en quelque sorte, qui consiste un peu à les nettoyer, les calibrer et à les mettre sur les emballages, euh, leur emballage final avant de les charger dans les conteneurs pour qu'ils soient acheminés au niveau du port de Dakar. Tous nos produits sont exportés en Europe, hein, y, compris l'Angleterre, comme l'Angleterre a un statut particulier. Le Sénégal a produit 82 500 tonnes de tomates cerises et on a exporté plus de 10 000 tonnes. Et pourtant, la tomate fait partie des produits en grande consommation et ce faible record a un impact sur la balance commerciale du pays. Si cette filière du sous-secteur de l'horticulture est mieux organisée, le Sénégal gagnerait à avoir une parfaite maîtrise des facteurs de production, mais aussi une augmentation de ses rendements. La filière euh, tomate, un euh, reportage, euh, en dossier signé Jeanne Dior. La série continue Elle s'intéresse à l'économie de l'eau. L'horticulture étant tributaire de l'hydraulique, la question a intéressé la rédaction. Le goutte à goutte serait une bonne option d'exploitation des ressources en eau utilisées dans les périmètres maraîchers. Enquête comparative entre goutte à goutte et arrosoir signé Mamadou Samobo. Tassette à mi-chemin entre Thiès et Mou. À l'arrière-pays de cette commune, de vastes étendues de verdure. Nous sommes au cœur des aménagements horticoles de Senflu, Sénégal. Près de 300 hectares d'exploitation à dominante melon et pastèque, entièrement arrosés au goutte à goutte. Euh, le système goutte à goutte donne à la plante la quantité d'eau nécessaire pour son développement, pour sa survie. On dit la précision de l'arrosage. Ce jet d'eau provoqué permet de nettoyer et d'entretenir le système. Au finish, une longue durée de vie des équipements et un allègement des charges d'exploitation. On fait une économie d'eau. Les rendements aussi augmentent parce que ça va freiner par exemple le désherbage, en plus certaines maladies causées aussi par l'eau. Pour faire euh, plusieurs hectares, on peut utiliser par exemple du goutte à goutte avec peu de main-d'œuvre. à euh, euh, C'est grâce au système goutte à goutte que nous parvenons à exploiter une superficie aussi grande. Par exemple, ce seul dispositif peut gérer 6 secteurs de 6 hectares chacun. Euh, le goutte à goutte est une adaptation. À l'origine, une carence de la ressource. Ceux qui ont inventé le goutte à goutte, ils avaient des problèmes pour survivre. Parce qu'il y avait bon, le désert, bon, il n'y avait pas d'eau. Étant bon, confrontés à des difficultés, bon, ils ont inventé le système goutte à goutte, ce qui veut dire qu'avec peu d'eau, ils parvenaient quand même euh, à faire euh, la culture. Disponibilité d'eau souterraine. Le Sénégal est-il mieux loti que ceux-là qui ont inventé le goutte à goutte Pour ce qui est de la zone des niaïs vous l'avez remarqué, l'eau est disponible. Mais il y a un mais. est agent à la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. En mission d'observation des pratiques et types de prélèvements sur la nappe affleurante des niailles de Pékin, elle préfère parler de vulnérabilité. Nous sommes en phase, par exemple, de deux compartiments. Là, nous avons d'une part l'eau de mer et de l'autre côté, nous avons la nappe des sables quaternaires. Et d'après les lois de la physique, quand deux compartiments ne sont pas séparés, ils ont tendance à être en équilibre quand il y a des liquides qui sont à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone des Niaï que l'un des compartiments ou bien l'autre soit au-dessus de l'autre, vous comprendrez aisément qu'il puisse y avoir des échanges. Et en opérant des prélèvements à certains endroits, il y a un appel d'eau de mer qui se fait, ce qui pose le problème de salinisation au niveau de cette nappe. Exemple périmètres maraîchers le long de l'autoroute. Motopompe et lance à eau rivalisent avec les arrosoirs. Laissant derrière des séanes, sortent de plaies ouvertes sur la nappe. Ah, Nous venons à 5 heures le matin. Nous arrosons jusqu'à 9 heures, ce qui fait 4 heures de travail. Les arrosoirs sont lourds et personnellement, je ne sais pas combien d'arrosoirs je remplis par jour. C'est clair. Ici, on pompe plus qu'il ne faut. Ou tout au moins pas comme il le faut. Résultat, troubles musculaires et perturbations hydriques. Vous remarquerez au niveau de la zone des Niaï que nous avons quelque part des puits, des fois des séances, qui sont rapidement abandonnés par les populations. À quelques mètres, ils remettent parce qu'il y a un appel d'eau qui se fait à ce niveau. Il y a un appel d'eau de mer en créant cet appel d'eau, il y a ce qu'on appelle le phénomène de crêpe et il y a une salinisation à ce niveau. Avec le goutte à goutte, la gestion de l'eau semble plus judicieuse, surtout dans le domaine horticole. Sauf que ce dispositif fait appel à des investissements très peu accessibles aux petits jardiniers. Amadou Samombaou, la, la, série donc euh, sur l'horticulture euh, revient demain dans notre euh, dans nos prochaines éditions, on va dire. Parlons du président de la République qui a reçu des investisseurs experts de la santé. Ses partenaires travaillent avec le gouvernement pour la réalisation du projet Dakar Medical City. Entre autres infrastructures en vue, la construction d'hôpitaux à Dakar et dans les régions. Le chef de l'État a confirmé la volonté de l'État de finaliser le projet dans les plus brefs délais. Au Mahning. Autour du président de la République, une vingtaine d'experts et personnalités du monde de la santé. Depuis quelques semaines, il travaille avec l'APIX et le ministère de la Santé pour la réalisation de Dakar Medical City. Un projet qui a plusieurs dimensions euh, au niveau des infrastructures, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau de l'assurance maladie, et donc euh, un projet qui s'inscrit dans notre euh, plan de développement stratégique de la santé. Tous les paramètres techniques, administratifs et financiers ont été stabilisés. Nous avons euh, travaillé en toute intelligence avec les ministères et les investisseurs. Le projet et les délais sont donnés. L'engagement fort de son excellence de président Maxal nous permettra de réussir les délais et de rendre la copie propre. Dakar Medical City, c'est un concept, mais le projet en tant que tel dépasse la capitale. Il touche d'autres localités du pays. Au niveau des infrastructures, il va y avoir des hôpitaux euh, donc dans les régions, euh, la région de Kafrine, la région de Sédiou, euh, la région de euh, qui va y avoir donc un centre hospitalier euh, euh et euh, euh, toutes ces infrastructures-là vont démarrer dans un prochain temps. Le projet est un partenariat public-privé. Pour les investisseurs, la volonté forte du président Macky Sall rassure. L'Alliance globale pour la santé est partenaire et en effet, il y aura des investisseurs qui sont déjà prêts dans des secteurs très particuliers, la pharmacie, la construction et le fonctionnement hospitalier, et puis ce qu'on appelle e-médecine, c'est-à-dire la connexion entre tous les individus, vraiment tous ceux qui sont des patients et ceux qui sont à l'intérieur du système de santé, pour que ces données nous fassent faire, nous, à tout le monde des économies, mais particulièrement au Sénégal et à son environnement. Et donc nous pensons que ce qu'a dit le président de la République est très clair. Il voudrait que les Sénégalais, tous les Sénégalais, aient accès au système de santé. Or, ces systèmes coûtent très cher. Et on l'a bien vu, euh, il faut réduire les coûts et en même temps donner cet accès. Donc c'est un, si vous voulez, c'est un projet de toutes les dimensions. Le président de la République a particulièrement insisté sur les diligences requises pour la réalisation du projet, notamment au niveau de ses aspects contractuels. Le chef de l'État a donné de fortes orientations euh, pour que d'ici à un mois, on puisse aller vers la signature euh, de l'acte décisif, qu'on puisse mettre à disposition le foncier et que sur les autres aspects, de euh, réglementation, d'encadrement en matière euh, de régime euh, fiscal et, et douanier, que toutes les dispositions soient prises. Le Sénégal est donc prêt à y aller et le plus rapidement possible. Le président de la République confirme ainsi la volonté de l'État. D'ailleurs, il tient à ce que les délais soient rapprochés, car pour lui, l'accès des populations aux soins de santé est une priorité. l'association des paysans leaders contribue à la réussite du plan Sénégal émergent à travers le projet RNA, Régénération naturelle assistée en moyen, appuyé par World Vision pour euh, résoudre certains problèmes spécifiques dans le domaine agricole comme la, baisse de fertilité des sols. Un panel s'est tenu vendredi à la Fiara à Wadiaï. World Vision est une organisation humanitaire chrétienne de développement, de plaidoyer et de secours dédiée à l'autonomisation des enfants, de leurs familles et communautés pour lutter contre la pauvreté et l'injustice. Des experts ont organisé un panel qui a permis de montrer la contribution des associations des paysans leaders dans le PSE à travers le projet RENA ou Régénération naturelle assistée. La régénération naturelle assistée est une technologie agroforestière développée au Sénégal depuis plusieurs années. Euh, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'intérêt de cette technologie et de l'utilité de sa mise à l'échelle. La régénération naturelle assistée est un projet modèle qui a permis de résoudre plusieurs problèmes dans le domaine agricole. La RNA donc consiste, comme l'a dit tout à l'heure le colonel, à protéger les jeunes pousses au niveau des champs pour régénérer euh, la forêt. Donc euh, d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire, disons, ce qu'on fait le plus, c'est de reboiser. Mais il y a une autre manière également de reverdir euh, l'environnement, c'est de protéger les jeunes pousses qui ont naturellement donc levé dans les champs. Je fais partie de ceux euh, qui ont bénéficié du projet ERENA. Hmm? Avant hmm? l'installation de ce projet, on éprouvait des difficultés. Il y avait une baisse des rendements agricoles, mais pour nourrir le bétail, c'était difficile. Avec la RNA, l'agriculture se porte bien et la forêt est protégée. mais ak bi RNA ñëwee vraiment gis nañ ne non seulement suuf yi am nañ doole mais kii àll bi aussi aar nañ ko Grâce à World Vision, la RNA a permis de préserver les ressources environnementales et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. World Vision appuie les agriculteurs et les éleveurs des zones dégradées pour la généralisation de la régénération naturelle assistée. 2267 nouveaux enseignants de l'élémentaire intègrent le système éducatif après une euh, formation initiale de 9